Je remercie la Fondation Hirondelle à travers euh, Kalengou de nous avoir octroyé ces matériels d'un montant de plus de 2 millions pour servir à la radio Azuru qui on est en partenariat avec eux depuis un an. Le résultat attendu, c'est de faire des productions ou des émissions dans nos radios communautaires. En tout cas, ce matériel sera utilisé à bon escient dans nos différentes radios communautaires. On n'a jamais reçu ce kit euh, pareil, jamais.